D'abord, eh, le livre, il faut bien le présenter. Euh, il vient de sortir et j'avais euh, donc euh, décidé, en relation avec le directeur du livre, qui a soutenu le projet avec la Fondation UCAD, avec aussi des amis, de choisir la date du 31 mars, qui est la journée du parrain. Vous voyez bien, les dirigeants viennent d'organiser trois jours intenses. Euh, ils ont euh, leur association. Euh, c'est toujours carbone, hein Voilà, carbone, carbone 14. Et donc, on était convenu de faire ça le 31 mars, la journée du parrain. Alors, c'est une occasion aussi de passer le témoin, parce que vous savez, moi, je suis à la retraite depuis deux ans. Hein. Donc, les jeunes collègues qui sont dans cette faculté, qui travaillent au département d'histoire, au département des langues anciennes, au département de géographie, au département de linguistique, qui travaillent sur les questions euh, qui sont traitées dans ce livre, qu'ils puissent dire ce qu'ils pensent et surtout qu'ils permettent euh, euh, aux étudiants d'approfondir certaines questions. Parce que l'humilité de ancien, c'est de dire voilà où j'en suis arrivé au niveau de mes connaissances. Donc moi j'ai essayé dans ce livre de faire le point sur les connaissances qu'on a sur l'Afrique ancienne. Depuis les travaux de Cheganta, qu'est-ce qu'on sait après et où est-ce qu'on va euh, Donc, euh, c'était à, à mon niveau un devoir de restituer cela. Et je pense que d'autres chercheurs vont continuer. Moi-même, quand j'aurai le temps, sur certaines questions, j'aurai à approfondir. Vous savez bien que pour les Sénégalais que nous sommes, euh, il y a un projet d'histoire générale du Sénégal. Euh, je fais partie du groupe qui s'occupe du Sénégal ancien. Donc on va revenir sur certaines questions. Vous avez suivi euh, mes interventions sur l'origine du mot Sénégal, ça signifie, et même sur certains toponymes et certains mythes. Oui, le mot Sénégal, je pense que en suivant les recherches, bon, on peut dire qu'on est d'accord sur l'hypothèse du euh, de l'ambassadeur Saliou Kanji, qui disait que le Sénégal, ça vient de Sine, Ghana. Sine qui est très proche du Ghana. Euh, je crois qu'aujourd'hui, après ce travail, on peut dire qu'il avait raison. Ce que j'ai essayé d'apporter, c'est pourquoi il y a Sine Ghana et Sine tout Dans la géographie grecque, dans la géographie arabe, plus tard, euh, il y avait deux Sines le signe qui se trouve en Asie et le signe qui se trouve en Afrique. Et c'est pour préciser qu'il s'agit du signe qui se trouve en Afrique qu'on avait mis signe Ghana. C'est pour ça que je donne raison à Salim Kadi. Maintenant, dans le travail, je suis revenu sur certaines questions, certains mythes, certains problèmes qui ne sont pas bien clairs. Pourquoi Mam Kumbabang euh, Dans mon travail, je suis arrivé à la conclusion que c'est l'hippopotame. C'est l'hippopotame, c'est le nom de l'hippopotame, euh, non seulement en Wolof, mais en Polar, et aussi en Serer. Euh, oui, c'est le mystère. Bon, c'est un langage codé. Vous savez, les Kazakhs, dans nos traditions, euh, quand on fait des chants euh, donc, euh, des, chants de ce genre, le Wolof, il a tendance à prendre des chants polars. L'inverse, et voilà, si vous écoutez les Kazakhs des Serrères, soit on parle Wolof, soit on parle donc polar. il y a des langages codés. J'ai pris beaucoup de risques en disant ce que je pense. Mais nous, en tant qu'universitaire, on doit dire cela. Je veux même aller plus loin. Si à Saint-Louis, quelqu'un se noie dans le fleuve, les familles qui vont jusqu'au fond de l'eau, qui cherchent les noyés, leur nom de famille, c'est des noms polar Donc Saint-Louis, Mamkoubabang, ça montre le euh, fond du peuplement. Euh, d'où est-ce que les gens sont venus les serrères, ils ont été là-bas. Le mot pour dire hippopotame en Sérère, c'est Langbar. Les Wolof disent Léber. À Saint-Louis, il y a un village qui s'appelle Lébar. Mais tout ça, ce serait pas clair dans notre esprit. Euh, c'est euh, grâce à ce travail, moi, que les choses deviennent claires. Bon, que nous devons dialoguer, mais en tirer aussi les leçons. Parce que Saint-Louis, c'est un patrimoine très intéressant, fécond, mais fragile. Et avec des collègues, on est en train de réfléchir sur un projet consistant à aller au fond des choses donc il faut faire attention à l'écosystème. C'est un plaidoyer écologiste aussi, ce travail. Euh, il faut écouter euh, ce que nos ancêtres ont dit, et si on écoute cela, euh, on se réconcilie avec nous-mêmes. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que dans le fleuve, on a parlé polar, on a parlé serrère avant de parler wolof. C'est ça, une des conclusions. Mais ça, ce n'était pas une hypothèse au départ dans mon travail. C'est grâce à la linguistique, grâce au travail d'historien que j'essaie de mettre un peu de l'ordre dans ce que j'appelle cette Afrique ancienne. C'est pour ça que le titre, l'Afrique ancienne dévoilée. Oui, pour, Lucade, oui, oui, j'ai un grand responsable de l'enseignement supérieur. Non, Lucade, il faut lui garder son cachet d'université classique, où vous avez les humanités, vous avez les sciences pures et dures, vous avez la médecine, euh, vous avez euh, la bibliothèque vous avez euh, l'école supérieure polytechnique, la tentative a existé de, démanteler cette UCAT. Les étudiants ont résisté, les anciens ont résisté. Mais c'est une chance. Aujourd'hui, si le Sénégal peut se permettre d'avancer dans le ranking, ça peut être grâce à ce potentiel énorme. Et d'ailleurs, ceux qui nous avaient un moment inspiré ce démantèlement, ils sont en train de se regrouper. Si vous allez en France aujourd'hui, mais on est en train de faire des regroupements pour résister, aujourd'hui au moins on parle de mondialisation, de résistance. Donc il faut que l'UCAD continue de jouer ce rôle de locomotive. Et ça, c'est l'histoire qui a fait ça. Donc c'est un plaidoyer très fort. Quand on a créé la nouvelle université de Gamiadio, j'ai dit que si on veut que l'université compte il faut que les étudiants de première année, qu'on puisse euh, les envoyer là-bas et qu'on ne mélange pas dans un premier temps euh, des groupes qui ont fait 8 ans, des groupes qui ont fait 6 ans, des groupes qui ont fait 7 ans avec ah le groupe qui vient de parler. Il faut y aller doucement parce que c'était. Et c'est devenu invivable. Mais ça, c'était mon point de vue. Et ce plaidoyer, euh, bon, j'espère qu'il sera entendu. Il ne faut pas démanteler l'UCAT. Il y a de temps en temps des collègues qui disent Oui, <laughs> il faut prendre les littéraires, les juristes et les amener à Non, non, non. doit être une nouvelle université. <coughs> Saint-Louis peut euh, continuer à progresser, Ziguinchor, euh, Bambay, euh, on peut créer encore. Mais l'UCAD, c'est une chance. Il faut renforcer, lui donner des moyens. Et c'est avec ce potentiel que euh, peut aider toutes les autres universités et jouer son rôle moteur. Même aux États-Unis, toutes les universités n'ont pas le même poids. donc, c'est un plaidoyer pour lui garder son cachet, si vous voulez, très ancien, sorbonal, si on veut, et son cachet de laboratoire. Aujourd'hui, vous avez entendu, c'était un débat entre les collègues d'histoire, de géographie, de linguistique, les collègues du département des langues anciennes. On aurait pu euh, invoquer et éviter euh, les collègues du département d'arabe et de russe, d'allemand. Euh, tout cela est possible et il faut créer cette réconciliation. L'université, c'est universitas, c'est plusieurs savoirs qui convergent. L'université, ce n'est pas une grande école. L'université, ce n'est pas euh, une école spécialisée, supérieure spécialisée. Non, c'est plusieurs savoirs qui convergent et qui s'épaulent, plusieurs savoirs qui échangent entre eux. Et la devise de l'UCAD est très lux mais Alex, et de ces échanges-là, la lumière sera toujours plus forte. Donc c'est un plaidoyer pour l'Université de Charente vous savez, il faut quand même se poser la question pourquoi on a euh, mis en place le Festival mondial des arts nègres Senghor a une idée géniale, mais vous savez aussi que dès qu'il a organisé le Festival mondial des arts nègres, l'Algérie a organisé le Festival panafricain. Et tenez-vous bien, vous les jeunes, il faut que vous sachiez ça. Ce sont des Sénégalais qui étaient contre Senghor qui ont joué un rôle très important dans l'animation du festival panafricain. C'était Pathé, Diagne, c'est Ben Ousmane que vous connaissez. Et quand le président Ouad a voulu faire la même chose, Fesman, mais l'Algérie a encore organisé. Alors, la question qui se pose, pourquoi ce balancement entre nègre et africain, Comme si c'était contradictoire. Alors, pourquoi je dis qu'il faut qu'on revienne à nous-mêmes Vous savez que le mot nègre, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau ni avec sa chemise. Le mot nègre renvoie à l'eau. L'eau. Niger. C'est un mot d'origine africaine. Les Wolofs, ils disent Donc, Mounioul, c'est de l'eau potable. Donc, Mounioul, c'est pas, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau en poulard. C'est la même expression. Quand vous voulez dire Donnez-moi de l'eau à boire, Ndiyam Balaïdo. Donc, nous devons nous dire Nek Nit. Toi, nous devons nous dugal ñu débat yi nga du débat ñun en Afrique on ne pose pas le problème de la couleur de la peau on demande ban lac ngay lac. ñu waxtan ak yow Fi en Afrique dafa am ñu xees am ñu ñuul am ñu xeereer am ñu ñuul am ñu ba mais on sait que l'homme est né en Afrique donc on n'a jamais eu de problème par rapport à la pigmentation des trucs comme ça c'est l'Europe qui a eu des problèmes et peut-être au moment l'Asie mais en tout cas c'est pour dire quoi que cette eau-là, c'est capital, c'est ça qui explique la vie. Qu'est-ce qui s'est passé Quand ils sont venus en Afrique, ils ont vu des gens, ils leur ont parlé, les gens ont parlé d'eau, Niger. C'est ça qui a donné le fleuve Niger. Donc ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. un moment, c'est eux qui ont, rendu ce terme négatif en disant les gens qui habitent autour du fleuve, on les appelle les nigritailles, les nègres. Mais au départ, on ne parlait pas de couleur de la peau. Alors, le mot Afrique, vous savez que ça renvoie à quoi Au soleil, à la chaleur, qui ivri, affaire. C'est un terme aussi qui est un terme africain qui renvoie au feu. D'ailleurs, moi quand j'étais jeune au Sénégal, à Saint-Louis, quand il y avait les brochettes, on dit afara. J'ai travaillé sur ce terme, affaire. Depuis l'Égypte pharaonique, ça renvoie au feu. et vous comprenez pourquoi. dans mon travail, c'est de montrer les onomatopées le feu, prenez euh, un brin d'allumette, mais allumez, qu'est-ce que vous allez entendre Mettez ça sous du papier, le vent. Donc, affaire fer, c'est par rapport au feu. Je dis que l'Afrique, si elle doit s'unir, c'est autour de ces deux questions essentielles. Vous savez, l'Europe c'est unie, lui, les il peut vous dire. Vous savez, qu'est-ce qui a fait l'unité de l'Europe Vous le savez. Autour de l'acier et du charbon. C'était leur problème. Nous, si on veut unir les peuples africains, c'est autour des fleuves, de l'eau et autour de l'énergie.